votre émission hebdomadaire Amine Koutoukoulou Rabi Mekano. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes au lycée Issa Korombe. Vous êtes là Oui C'est Issa Korombe, Vous le savez ça Qu'est-ce que le premier lycée le du Niger lycée au Niger. Voilà. Donc, euh, ce sont les élèves du lycée Issa Korombe qui nous accueillent aujourd'hui. Nous sommes là pour parler parler des grèves et des perturbations. Lundi, déjà c'était la, c'était la rentrée. Des classes, tous les lycéens, le kolta comme kuma inga tafara, da su en makaranta, à su ana tunani ana wasu wasi, Allah sare ka ai grève. Ko ba ka ke cewa ce sentiment est dû aux perturbations de tout genre qui ont longtemps bercé l'école nigérienne avec ce syndicat, nous voudrions bien savoir comment éviter ces perturbations pour réussir enfin cette année scolaire 2019-2020 à la FADA nous sommes avec Abdoulaye Aboubakar du Unigerb euh, qui intervient quand il y a des gros soucis c'est là pour aider les étudiants les élèves et leurs professeurs à trouver des solutions Abbas Jibo du euh, ISECOB syndicat des enseignants contractuels. Ça va Oui, ça va bien. Vous êtes en forme pour cette année En forme. Ça va aller Oui, ça va, ça va. Abou Issa Habiboullah, il est le secrétaire général du lycée Issa Korombe. Ça va Abou Bakar Très bien, Dieu merci. Tu vas bien Là, je vais bien, Dieu merci. Ok. To mun gode da tarwon ka muna. Kai Hausa ko? To ina da dan darawa. To sai Ko muna tare da ƴan makarantar lycée Isa Korombe kuna tare da mu? Eh. Da ana mana mun shi kuta ba kuta ba kuna tare ko? Da ku sai wannan hiran. Yau kuma kun ga fara comme nous aurons de la musique dans cette fada et la chronique d'Olivier notre produit web qui est là avec nous baisse du niveau des élèves qualité d'enseignement au centre de débat l'école de M40 da uwayensu ma da uwayensu ma sun galabaita kan mance da su kurun gare na baya kullum sai ka an ce grave in ba yan makaranta suka yi sifle ba mu shika su za su tsaye da aiki même si les mouvements de grève des élèves et étudiants touchent quelquefois les écoles privées c'est l'école publique qui en pâtit lundi dernier c'était la rentrée une rentrée déjà boudée par euh, les enseignants contractuels oui. c'est ça non effectivement oui de wa ba biya su ba ba ba sun aiki kuma suka je ba su aiki suke ba su aiki da gaskiya su mana ko ba haka ba in ba a biya mu ba ya zo ya aiki wala vous avez au moins le soutien de vos élèves ah oui tellement de sorties de mots d'ordre de grève de revendications wace irin matsala ce da har yanzu bata kare ba Masololing à sur le dama. Tout d'abord, euh, je vais un peu parler des problèmes que rencontrent les enseignants, que ce soit titulaire ou contractuels. Donc, euh, et pour ce qui est de cette rentrée, les enseignants contractuels n'ont pas été payés. Mais malgré tout ça, pour vous satisfaire, ils se sont sacrifiés de vous faire cette rentrée. Donc, euh, c'est après le mardi que le paiement de pécule des contractuels à, été fait. Donc, et ça, c'est juste, c'est parce que c'est la rentrée. Mais cela ne veut pas dire que bon, ça va continuer. Pour le prochain mois, même si on ne les paye pas, ils vont continuer. À, voilà, donc euh, voilà l'un des problèmes euh, qui, qui, mine vraiment l'école nigérienne au niveau des enseignants. Donc euh, il y a même cette insuffisance d'enseignants aussi sur le terrain. Peut-être les élèves le savent très bien, ils sont là. C'est sûr que... Voilà. Dans quelle matière et quelle matière Non, pas cette année, l'année dernière. Ah ah. On n'avait pas eu notre prof d'EPS on a passé des mois sans faire épaisse. Oh c'est après le prof de, de la première qui nous a pris. Oui, c'est ça. Et le prof, on n'avait pas de professeur d'anglais. 20 professeurs qui, heureusement, qui nous prenait les copies, et qui corrigeaient. On faisait les devoirs avec les autres élèves sans pour autant avoir de professeur. Wow. C'est sérieux, on a un truc, franchement. Donc, on a revendication qui na mushishikani. Kukuma élève, qu'on a dans la revendication qui. Kukuma mine ne matsalar da ta kare har yanzu reglanta. To, kun san revendication la, muwa muna da Nos revendications se ressemblent. Parce que vous savez une chose, l'école nigérienne depuis, ça a toujours été les mêmes revendications. Je ne pense pas si par ailleurs ces mêmes euh, responsables de l'éducation ne veulent pas à ce que l'école nigérienne marche ou quoi. Parce que c'est la question à Et ils ont dit, parce que ce n'est pas une réalité, que l'école nigérienne, on a mis 20% dans le budget national. Je pense bien que si les 20%-là sont au rendez-vous, les enseignants ne vont pas gréver pour des simples péquilles. Les élèves ne vont pas gréver pour avoir des enseignants. <laughs> voilà. Eh, Abdoulaye Abubakar, un Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème la solution ba bon sol solution ba ta mm. Mais le problème, ça vient des deux côtés. C'est comme ce qui, par exemple, si le problème vient de, du niveau de, du gouvernement, si c'est le manque, mm. je pense bien si c'est le manque de fonds, il y a un des problèmes en hakani ni bumsamba structure yane ni amis. Tende mou, mena intervenir ne juste pour pallier le problème. Mm. Mais si le problème émane, si le problème a trait du côté de l'argent. <laughs> vous ne savez pas trop comment gérer ça. ça, vous n'avez pas assez de fonds pour ça. Oui, c'est ça. <laughs> Nous comprenons bien tout ce qui ne va pas, cette lutte que vous menez. Mais les conséquences sont énormes, surtout quand on sait le préjudice de ces perturbations kan karatun yara yanzu avec un taux de réussite de 26,56% au bac et 33,64% pour le BPC. Par rapport aux conséquences, oui, tout à l'heure vous avez parlé de conséquences hmm. et les conséquences de perturbation c'est dû vraiment euh, aux, différentes grèves de tous bords. L'année passée, si vous avez remarqué, côté enseignant, donc il n'y avait pas eu trop de perturbations. Hmm, donc euh, <coughs> malgré ça, on a constaté des baisses de niveau. Et cela ne veut pas dire que c'est parce qu'il n'y avait pas eu de grève. Bon, forcément, le niveau doit, doit, doit, rehausser. L'enseignant, même si il est dans la classe, il peut ne pas enseigner. Monsieur, pour ne pas couper, mhm. vous, parlez de classes. Et s'il n'y a pas de classe, il ah, faut, dire ça aussi. Oui, Bon, vous savez, c'est pas qu'il peut venir et ne, pas nous faire, euh, ne pas faire son devoir parce hmm. que le fait de, nous apprendre, c'est son devoir. Mais moi, je sais une chose, aujourd'hui, euh, j'aurais voulu à que ce débat-là se fait dans une autre école. Parce que c'est le Corombé, on voit, tout est équipé, tout est bien. Mhm. C'est une rentrée pirement et maquillée, si je peux le dire. <laughs> Vous savez pourquoi Vous êtes d'accord avec lui Oui. Vous savez pourquoi Vous savez pourquoi j'ai dit c'est pirement maquillé mhm. Parce que... <laughs> Pourtant, la rentrée a été effective voilà, parce qu'ils ont jonglé oh, partout. Ils ont jonglé partout. Il faut revenir. <laughs> Il faut revenir au niveau des kits scolaires. Revenons sur les kits scolaires. Euh, est-ce que j'étais un Mais ah ah. autant pour nous. Dis-moi ton nom, ma chérie. Salam. Salam, tu es en quelle classe première à Je t'écoute, ma belle. On a dit que la rentrée a été maquillée, et c'est vrai, la rentrée a été maquillée. Il y a dans certaines classes, si vous partez, il y a des tables qui sont cassées. Et les élèves n'ont reçu que 5 cahiers par élève. 5 cahiers, ça suffit pas pour faire les exercices, surtout pour des élèves du lycée. Ça se comprend si, si c'est des élèves du primaire, ça se comprend, mais des élèves du lycée, on a plusieurs matières à gérer, et 5 cahiers, c'est vraiment insuffisant. L'année passée, on vous a donné combien de cahiers c'est insuffisant. Il y a des années où il y a eu 12 cahiers par élève. C'était l'année surpassée, je crois bien. C'était 12 cahiers par élève. Vous voyez, par rapport à ces Il y a aussi les tables. Les, tables, les tableaux sont très mal. On a besoin d'arranger les tableaux. Qui a gagné ah, qui a bah, bah, Faiza. Faiza. Oui. Bah, il y a l'équipement des classes aussi. Les classes, sont, les classes sont mal équipées. Il y a, il y de tables les tables, bon, il n'y a, y a pas de voisins sur les tables. Il y a tout ça. Professeur, quoi. Professeur de Akwesu. Bon, non, non. <laughs> jusqu'à présent, il n'y a aucun prof qui est rentré faire la, les, les présentations, quoi. Pas encore. Vous en conviendrez avec moi que c'est une rentrée purement maquillée. Oui. C'est chaud, ça. moi, je d'accord avec mangane gane ba biyu da ta wallahi da yamin suna ki Hassana Ibrahim Hassana oui ba a bi bulletin ba tun na tun bara oui du deuxième semestre jusqu'à présent on n'a pas eu nos billets d'abord to kan yanzu bisa kan wannan problem kin na materiel kamar an suka gai yaya ne mi kuke gaya mun Abdullahi Abubakar oui c'est que vient tous de dire notre sœur hmm. Ils ont un problème de cahier ou autre. Et parmi les solutions, les stratégies pour que un élève puisse bien réussir, il lui faut un kit au complet. Parce que aujourd'hui, si vous prenez par exemple, je suis en classe de primaire, comme c'est qu'elle hmm, vient de dire. Donc il lui faut des romans et autres, parce que c'est la, c'est la série littéraire du moins il lui faut des romans et autres. <laughs> Euh, c'est un peu chaud là. Donc, amis de tous à la FADA, vous pouvez réagir et recevoir nos contenus en envoyant jeune au 80 06 88 à 54. Suna Iya samun wannan shirye-shirye na bisa kan lambar mu ta WhatsApp 80-68-54. La Fada, c'est aussi de la musique pour détendre un peu l'atmosphère. Comme c'est la Fada, quoi. <laughs> On se reprend juste après la Sabu Bobo, le docteur Al. ine suru nogati haikul banda amagun wasu yankara bore go ginge darje nera annasara no ne ki vivra vera masdir ga musu bere dinga kuwa hamni za kaina ga hina ifo ga jase wonder I thought is a cool buggy lolly when it's up. But I'm gonna go hike a nigga pop. And the nigga chinny say, if windy, Boku got bait. The Dallas and the Jimmy dalaga dalagabu ama isa Figi Jimmy bangay dima fisi fisi haydirganay haydirganay mangawir sankataray hindiray hidaray son saa susubay saa susubay kalay kasipuri Hai Dirgane, haydirganay haydirganay mangawir sankataray hindiray hidaray son saa susubay saa susubay kalay kasipuri furkutaray Dirgane, listen hey

zasusubai goga hey hey Gurzugei, hey Gurzugei nisi masabu zasusubai zasusubai goga hey hey Gurzugei, hey Gurzugei nisi masabu zini ni da mi mandano gogiriye de banda wasi yega yarda matka kawata wasi yega wanja Aikantilas kantilas makanu matkan dandan karona karwaganu wasiyaga dhondha egonganirga goydha ganwaaray irma buudha irkoya wano hallasa fasi ibla sabo kamar an don waka ce abin yana yana sa tunani sai an retour ala da muka dora alise isa korombe nous sommes avec abdoulaye abubakar uniger. abbas jibo izo COB, syndicat des enseignants contractuels. Idrissa Habiboulaye, il est le secrétaire général euh, SG qui lycée Issa Korombe. To, yanzu SG. tout ce qui va pas. mungani on a juste besoin de la stabilité moins de perturbations possibles ce qui va nous aider dans nos études en ce qui concerne cette année 2019-2020 j'ai un appel à lancer à l'endroit de nos camarades syndicalistes et nos autorités quoi qu'ils soient pensés entre eux et le syndicalisme nous ne voulons pas assez que les problèmes persistent nous demandons à ce que sont au collège de trouver une audience avec les autorités pour avoir un stabilité Les élèves sont suna watan kwanciyar mhm. hankali ah, wannan ah, anan kin an fara ta lahiya a ƙare ta lahiya ah. to oh, da gaskiyar su que in ba yi kwanciyar hankali ba ba su karatu kuma hmm. gaskiya suna son karatu donc euh, nous à notre niveau et tout à l'heure je viens de le dire on s'est sacrifié pour effectuer cette rentrée hmm. malgré les difficultés donc on va continuer ce, ce, ce sacrifice mais tant que ce gouvernement et décidera de rester tel qu'il est, donc euh, nous aussi, on va pas, on va pas les, on va pas les observer de, de, cette manière. Donc nous allons, c'est un droit, c'est nos droits, donc euh, on va le revendiquer, on va continuer à le revendiquer. Oui, donc maintenant, au niveau côté des élèves, ce que je peux leur dire, et certes, eux aussi, sont, ils ont des revendications, mais ils doivent revoir que c'est leur avenir qui, qui, qui, est en jeu. Ils doivent penser à cela pour essayer de, voir, euh, de trouver un mécanisme pour que vraiment l'un dans l'autre pour que pour qu'il ait cette pour que les enfants de pauvres puissent étudier. To kenan dai ina gane mhm. muna nan dai. Oh, ana nan dai haka nan Ana nan dai. <laughs> To SG voilà une nouvelle année qui commence. Mhm. Le nouveau lycéen kaji zantan de ce qu'il gai élèves sun magana sun calmez-vous ku ya za ku ci fuska Vous êtes prêts à vous calmer? Habibullah. Donc voilà et merci bien. Donc je pense bien que les écoles, les élèves, ils veulent tous, nous voulons tous étudier. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier, avant d'être syndical on est élève. Et ce que nous mettons en avance, c'est l'académie. Et ce qui vient de dire notre enseignant, il a parfaitement raison, c'est une réalité. Nous devrons penser à notre avenir. C'est pour cela que nous pensons à notre avenir. Parce que si par ailleurs nous ne pensons pas à notre avenir et que nous sommes en train de suivre ces autorités dans leur idéologie, soyez en sûr que cette rentrée académique 2019-2020 des, lycéens sera catégoriquement boycottée. Ça, je peux vous l'assurer. Mais c'est parce qu'on se soucie de notre académie et on s'est dit juste une chose. Maintenant, nous, notre idéologie, et de la section lycéenne et collégienne de la région de Niamey hmm. n'est rien d'autre que euh, d'avoir un peu, ne serait-ce qu'un peu, nous demandons, nous implorons. notre cadre organisationnel, chaque fois, elle exige. Mais nous, notre idéologie que nous sommes en train de faire, c'est d'avoir ne serait-ce le un peu là pour pouvoir retourner étudier. Vous savez, aujourd'hui, l'école nigérienne... Bon, mais, ah, eh, mais, mais, écoutez, écoutez s'il vous plaît. S'il vous plaît, pourquoi on est en train de boycotter S'il vous plaît, chers camarades. Et eh, vous savez, vous savez les sifflets là, c'est parce que c'est pas parce que nous et eh, les membres ou disons les élèves ne veulent pas étudier que quand ils attendent des sifflets, ils crient. Je dis que c'est faux. Nous, quand on crie, quand on est en train de revendiquer nos droits, quand on se retrouve à la place Kouliati Robert, c'est pour montrer que c'est pour montrer nos mécontentements. Que ça ne va pas. Oui, c'est pas, pas, pour, pas parce qu'on veut juste rentrer à la maison, se coucher. Toi qui ne veut pas étudier, qui ne veut pas créer son avenir Tout le monde veut créer son avenir. Aïba, abariba, perturbation, ça ne karatuko. Koko. Vous êtes d'accord, non Donc, et un soufflé, va jouer à Gida. Hein Toi, mais ça, vous êtes à Voilà, et vous savez. Un soufflé, un soufflé, mais ça, vous êtes à Gida. Ku huta. Hutu hmm? kuke so ba kuna da weekend ba? ya yi sifle. ga ya mun sunan sunanka. Abdulkarim Ali Mama. Oui, Abdulkarim. C'est juste pour aller réviser nos leçons. Voilà. Kenan yi sifle kun ta gida réviser kuke. Inshallah. Eh, ah bon? Est-ce que yi sifle in ka ta gida ba shisha za ka je ka sha ba? Hein? Ga mun sunan sunanka. Ah, je m'appelle Soumaïl Seyni. Soumaïla? Oui. J'aimerais bien qu'on arrête de siffler, non ben, on arrête de siffler. Ah, ah. Mais arrêter de siffler là, ça va nous blesser de notre côté. Parce que les autorités, quand on ne revendique pas nos droits, ils ne vont jamais nous regarder. Abdoulaye Aboubakar, une voici une nouvelle année qui commence. De nouveaux lycéens enthousiastes. Vous êtes contents, non Les nouveaux là, vous êtes contents d'être là, non Oui. Comment éviter de perturber cette année Abdoulaye euh, Aboubakar, une vous qui réglez les problèmes quand ça ne va pas là. kuma evite a ah, kasa ya samu kwanci hankali kai a ganin ka kai ya ka gani ya aka mata to eh, ni da gani na su ko tekin sanya mhm. abin da ya kamata su yi a yi reglansu ce sake letalar regle su ko ko tekin lai discolar sandika zan cewa su ya kamata su rage grafikin nan da gaske sai sa sil revendic pa leta ne va pa ne variant faire Mais le problème, s'il revendique à chaque fois, s'il siffle, je pense bien que le temps sera imparti. Ce n'est pas le moment de trouver une alternative eh, Monsieur, résoudre le problème, j'arrive. Ah, je dois, je dois, oui, oui, je, vais veux juste mettre quelque chose, juste quelque chose, si vous me le permettez, bien sûr. Donc, euh, et moi, je pense bien, comme il vient de le dire, il a dit les, les enseignants, on doit résoudre leurs problèmes à 100% parce que tout simplement, ils partent en mouvement. Et nous, on doit nous, on doit diminuer. Nous, on doit diminuer de partir en grève. Moi, je ne vous suis pas tellement. Parce que moi, je, je pense bien, les enseignants et les élèves, nous partons tous en mouvement. Et quand nous partons en mouvement, il n'y aura pas d'académie. Et si par ailleurs, que nous, <laughs> on ne va pas euh, nous résoudre nos problèmes, on doit diminuer des partenaires en mouvement, et eux, les enseignants, on doit les régler. Je ne pense pas si vous voulez résoudre les problèmes. Hein, comme ça. tu élèves. Un résultat catastrophique. Qui ça blesse le plus À ton avis Qui doit encore faire plus de sacrifices selon vous Les élèves. voilà. Quelqu'un veut parler là Qu'est-ce que ça touche le gouvernement, ça ne les touche pas. Hein ça nous touche directement parce que s'il n'y a pas de professeurs ou qu'on ne travaille pas, ça nous touche. C'est notre niveau qui est vraiment perturbé. On a besoin de niveau pour continuer. Pour euh, calmer un peu les choses, on va retourner en musique. Donc on se reprend juste après Mia de Bad Funny et Drake. que me tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías. Ça va Vous êtes chaud pour cette année Oui Nous sommes avec euh, Abba Chibo de Isocub, syndicat des enseignants contractuels du Niger. PSG du lycée Issa Korombe, Boubacar Idrissa Sabiboulaye. Il a le sang chaud, votre SG là Abdoulaye euh, Boubacar, une qui interviennent pour tuer le feu. <laughs> tu vois non ils vont hmm. t'accompagner eux-mêmes là ils sont motivés pour tuer le feu yanzu a wannan fara ta mutum muna zance tare da su don mu samu kakan da za a yi ita wannan shekara a fara ta lahiya a yi ta lahiya a ida ta lahiya kuma kowa ya samu sakamako na kirki kun gane ko a ce ekiri ya yawa a bac en 100 pourcentage de kirki, brevet en 100 pourcentage de kirki. Abbas, oui, bon. oui. vous revendiquez beaucoup de choses. Paiement des pécules, intégration à la fonction publique mhm. pour les enseignants. comme su kuma 40 ans, suna neman akawun su kilashoshi akawun su abubuwan karatu mhm. tabul ban a biya su bursukin su da su allocation kinsu a ganin kuɗin wa'annan duka an yi rayuwar kinsu sai a sai pour euh, rehausser le niveau il y a samu an yi régler. si on arrive à payer les pécules de contractuels à terme échu hmm. et, que chaque année, l'État recrute des milliers des enseignants contractuels à la fonction publique. Et du côté des élèves aussi, si tous les matériels, on euh, les a mis à leur disposition, hmm. je pense que c'est bien normal que le niveau se rehausse. À moins que déjà les conséquences de cette baisse de niveau persistent au niveau des élèves. Parce que une baisse de niveau, c'est quelque chose euh, qui se fait pendant des années. Tant que la base là est ratée, donc ça va continuer à persécuter sur, sur, les élèves. Hmm. Donc euh, immédiatement, on ne peut pas dire qu'il euh, y aura du changement par rapport à, à, ce, rehaussement du niveau. Donc les gens doivent encore attendre Voilà. Donc c'est son hakuri, c'est son hakuri. Donc ça, ça, on peut commencer à espérer que vraiment le niveau peut, peut, peut se aussi. C'est Habib. Voilà, merci. Et mm. vous savez, ce que notre enseignant vient de dire, mm. c'est une réalité par rapport aux baisses des niveaux. Mais il ne faut pas qu'on se focalise uniquement pour dire les baisses des niveaux, c'est limite au mouvement. Donc, euh, si tout est déjà OK, il ne faut pas aussi oublier, bon nombre des enseignants n'ont pas la qualité d'être des enseignants. Oui, voilà. Prenons l'exemple des évaluations. Hmm. L'évaluation, on n'en prend que dans si on fait évaluation des enseignants là. Regardez la fois dernière, de l'année passée, ça a été catastrophique on est des élèves, mais on, comprend bien ce qui se passe. Aujourd'hui, quelqu'un qui vient d'avoir juste le baccalauréat, on lui, donne, on lui dit d'aller enseigner au collège. S'il vous plaît, vous n'avez rien. Vous vous êtes qu'un simple élève qui a eu le baccalauréat. On vous donne, on vous dit d'aller apprendre aux, élèves de la troisième, de les préparer pour qu'ils puissent avoir les BEPC. S'il vous plaît, il n'y a pas de problème. Il y a des enseignants qui ont, ils sont là pour enseigner juste parce qu'ils ils, n'ont pas eu d'autre chose à faire c'est malgré eux qu'il enseigne. Aujourd'hui, quelqu'un qui enseigne parce qu'il n'a pas l'amour d'enseigner, est-ce que les messages doivent passer La pédagogie, est-ce qu'elle serait au, rendez-vous Ça aussi, eh, Je m'appelle Ibrahim suis coordinateur du Ben Isocop toujours. En fait, ici, ce que j'aimerais un peu apporter comme euh, un appui, ou bien je peux dire un peu de plus, et je vois que lorsque tout est réuni, comme vous venez de le dire, je vois que dans votre prise de décision, chers euh, camarades, ou bien je peux dire élèves, vraiment il faut rester prendre des décisions qui vont au moins vous arranger. Moi, je vois qu'il n'est pas vraiment nécessaire. Lorsque juste vous entendez des mots qui sifflent dans la rue, pour vous, c'est seulement venir siffler à l'école pour dire grève. Pensez bien que vous perdez juste une année, c'est comme si vous perdez une année de votre salaire. Quelqu'un qui prétend à finir vraiment peut-être euh, son lycée dans trois ans ou bien quatre ans, tout au plus. Maintenant, il vient faire au moins, il met sept ans pour avoir un bac, six ans pour avoir le bac. Mais vous êtes en train de vous mettre à retraite de vous-même. Moi, j'ai vu, j'étais dans des écoles là où les élèves, je parce qu'on dit que non, notre CS n'a pas de portail. S'il vous plaît, nous sommes dans quel pays parce que ça n'a pas de portail, on siffle. Qu'il faut siffler là, il faut savoir pourquoi siffler. Nous acheminons vers la fin de cette émission. Place à présent à la chronique d'Olivier. On applaudit Olivier. Ça Michi. Bonsoir tout le monde, vous allez bien On n'a pas de thé, on n'a pas de cola, on n'a pas de feu. Est-ce que la fada se porte bien Oh, oh <laughs> man Bah, nous sommes à l'école, donc du coup, on met tout ça là en pause, n'est-ce pas Super. Amis jeunes, Bonsoir euh, et aux moins jeunes de toutes les catégories confondues, bonsoir également. Dans la chronique de ce soir, nous allons proposer trois voire quatre conseils pédagogiques à ceux et celles qui ont repris les cours depuis le 16 septembre, c'est-à-dire vous qui êtes ici présents et ceux qui nous écoutent à l'intérieur. Est-ce qu'on est prêt Oui. Euh, est-ce qu'on est prêt Oui. Merci. À cette rentrée, comment utiliser les réseaux sociaux Pas de solution magique, Rabi, mais désinstaller les applications de messagerie et de distribution comme WhatsApp par exemple. À défaut, planifiez vos temps de connexion. C'est impossible, n'est-ce pas Bon, d'accord. Essayez quand même. C'est possible. Ok, d'accord. À défaut de désinstaller les applications, qu'est-ce que je vous propose Planifiez vos temps de connexion parce que sérieusement, ça nous perturbe tous. Vous pouvez décider de vous connecter seulement les samedis ou les dimanches. Tout dépend de la disponibilité et de la planification de tout à chacun. Autre chose, ça c'est un peu sérieux, quitter les groupes de distraction des vacances. Parce que pendant les vacances, on a intégré des groupes de rencontres, des groupes de sorties pour aller à la piscine, au musée, je sais pas trop. Bah, voilà. Bref, cher ami, il faut quitter tous ces groupes-là. Mais quand on quitte euh, ces groupes, il faut aussi intégrer d'autres euh, nouveaux groupes, Olivier. Exactement. Vous quittez des groupes pour encore intégrer d'autres. Et maintenant, il faut intégrer quel type de groupe Exactement, c'est ce que je vous recommande, chers amis élèves. Intégrez les groupes de vos lycées et collèges. Partagez vos difficultés à travers ces groupes. C'est-à-dire, je crois que dans chaque lycée maintenant, il y a des groupes qui sont créés, des groupes WhatsApp, des groupes Facebook qui sont créés. Intégrez ces groupes-là. Ça va vous permettre d'interagir avec les élèves qui sont là ou bien les anciens élèves aussi. Une chose encore euh, très essentielle, plus loin, essayez de créer également des groupes thématiques, c'est-à-dire créer des groupes d'histoire pour que ceux qui veulent en tout cas euh, se performer en histoire, créer des groupes de mathématiques, des groupes de physique, ainsi de suite. C'est très facile à faire et ça nous permet d'utiliser les réseaux sociaux à notre essaim. C'est intéressant, non Super. Alors, j'ai fait des recherches pour vous. Applaudissez pour moi, s'il vous plaît. Ah, applaudissez pour Olivier. Ce sera tout pour cette chronique et j'espère que vous n'avez pas oublié la date du 28 septembre. Vous savez, le 28 septembre, qu'est-ce qu'il y a Un petit rappel, chers amis, ce 28 septembre, toute l'équipe de Tous à la Fada vous donne rendez-vous au Centre culturel franco-nigérien, le CCFN. Désolé pour nos amis des régions, c'est Anyama. Notre émission... 20h30. ouais. On va parler de réseaux sociaux. On aura Philola Diva pour danser. On aura Hayman pour sauter. <laughs> Je vous dis, ça sera chaud. Donc, on vous invite tous. On profite de cette occasion pour vous inviter. Donc, on vous attend pouvez venir avec vos questions, réagir, parler de ce qui va pas, comment on peut utiliser les réseaux sociaux, les inconvénients aussi, hein, les inconvénients de Facebook Merci. Voilà. Amis auditeurs, amis élèves, vous avez compris que Rabi m'a fait sortir de ma chronique. <laughs> Donc je, reprends mon émission. Nous étions avec les élèves du lycée Issa Korombe qui nous ont chaleureusement accueillis. Merci. Sur cette table, euh, nous avons Abdoulaye euh, Aboubakar Unigerp euh, qui est venu avec ses conseils, qui nous a parlé de leur intervention donc, comment trouver des solutions, comment apaiser les tensions hein? quand ça va pas. Abbas euh, Jubo Isocob euh, Abbas Merci, il est du syndicat des enseignants contractuels. Donc, nous avons vu à long et à large euh, à peu près tout ce qui va pas. Pourquoi Pourquoi les enseignants, ils boudent De quoi ils ont besoin Nous étions aussi avec le SG, le secrétaire général du lycée Issa Korambé. Donc, le SG qui était assez chaud quand même. Oh, avec ses revendications et tout ce qui va pas tout au long de cette émission, on a compris aussi que les élèves, vous êtes super motivés. Donc, vous avez vos attentes pour cette année et vous espériez que tout se passe bien, que l'année commence bien, que les cours se passent bien et qu'on ait de bons résultats. Vous avez besoin du soutien de vos syndicats, vous avez besoin que les enseignants y soient là et que l'État soit aussi à l'écoute. Merci d'être là. Donc c'est la fin de tout ça, la FADA. Merci à nos invités et à tous nos amis du lycée Issa N'oubliez pas de vous abonner à notre fil WhatsApp. L'émission Tout ça, la FADA vous intéresse. Vous voulez réagir, vous voulez poser des questions. Abonnez-vous à notre fil WhatsApp en envoyant jeune au 80 06 88 à 54 pour participer

ba ta mana haba. <laughs>